non c'est vrai que nous sommes hommes, comme il y a gars parce que nous, nous, nous yor pour le moment mais voilà nous dañuy préparer wu concentrés wu suñu équipe xam li ñu def xam fa après nous jeunes nous les anciens sont là pour encadrer l'équipe après nous avons les sénégalais et tamit ñu ñaanal pense que ni dal mais sénégalais bu nekk foo mënti nekk xeebu ñu la ci xeebuñu say ñaan ñu ngi koy sàkku di leen di di leen ñaan ngeen ñaanal équipe bi Sénégal am ndam ndax loolu bu Sénégal amee ndam rek réew mi moo ci yëkkati ku du bàyyi kenn.